le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou studio Kalangou, 18h15 minutes, place à présent forum. Merci de rester en notre compagnie. Vous le savez désormais, les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilaberi, Arlit, Filingué et Niamey. À Niamey, vous nous suivez sur Radio Alternative et Radio Amphani. Les points essentiels de ce débat, ouverture au Brésil des Jeux olympiques 2016 qui se déroule pour la première fois en Amérique du Sud du 5 au 21 août 2016. Le Niger y participe. Ils sont six athlètes à représenter notre pays dans quatre disciplines, le judo, le taekwondo, la natation et les 400 mètres. Notre pays a commémoré le 56e anniversaire de son indépendance. À cette occasion, le président de la République s'est adressé à ses concitoyens à travers le traditionnel message à la nation. Retour sur la main tendue du président Issoufou Mamadou dans son discours et la situation sécuritaire particulièrement dans la région de Difa qui a récemment fait l'objet d'attaques de la secte Boko Haram. Autre aspect de cette fête du 3 août qui est la fête nationale de l'art le ministre de l'Environnement a déclaré que le Niger est en état d'urgence écologique. Il sera également question dans ce forum du nouveau chef de Boko Haram, Abou Moussaïd, serait le nouveau chef du groupe terroriste. Selon l'hebdomadaire de propagande du groupe État islamique, il remplacerait Abou Bakar Chikao qui dirigeait Boko Haram depuis 2009. Euh, c'est avec plaisir euh, que je vous retrouve, fidèles auditeurs, euh, ce vendredi 5 août 2016. Comme tout le vendredi, le forum de la presse présenté ce soir par Diallo Mariama et Kenda. Ils sont avec nous dans ce studio. Ils sont au nombre de trois que je reçois pour vous. Issa Madougou de la télévision et Radio Ténéré. Bonsoir Issa. Sidikou Ousmane de Labari, euh, bonsoir Sidikou. Bonsoir également à vous, Diallo. Et Diafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant. Diafar, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir effectué le déplacement jusqu'au studio Kalangou. Messieurs, dames, bonsoir. Aujourd'hui, je Aujourd'hui, ils sont six à porter les couleurs nationales, ils ont rendez-vous ce soir à Rio, cette nuit l'heure de Niamey, sur la piste du stade de Maracana à Rio pour le défilé des délégations. C'est Issoufou Alfaga Abdulrazak, champion de taekwondo, qui portera les couleurs nationales pour cette 28e édition. Les Jeux olympiques, pas moins de 306 épreuves seront disputées en deux semaines du 6 au 21 août par 10 000 athlètes de 200 nations chances de cette jeune équipe Je commence euh, par ma droite, Jafar. Oui, merci Marie. Je pense que d'abord c'est un honneur pour le Niger de participer à cette grande rencontre euh, mondiale. Euh, une rencontre d'ailleurs qui fait qui a vocation depuis plusieurs décennies à faire qui a une vocation plus ou moins politique au-delà du sport euh, ces, ces ressortissants de plusieurs nationalités portent les couleurs nationales. Et vous avez vu euh, depuis les années 70 comment euh, les Jeux olympiques ont porté au devant de la scène le combat politique, celui de faire connaître son pays, celui de faire un plaidoyer pour ses concitoyens rester au pays. On se rappelle encore de cette position des de, euh, de, Palestiniens et des Israéliens qui, à un certain moment, ont occupé le devant de la scène des Jeux, olympiques. C'est dire que quand un athlète euh, ou un sportif participe à cette rencontre, euh, c'est qu'il a en face de lui les autres pays. Il représente sa nation et il méritent tout le soutien de, son pays. Et je l'ai dit, Jafar, ils sont six, ils sont très jeunes. Et est-ce que euh, un pays comme le Niger euh, a, fait assez pour ses sportifs aujourd'hui ces, ces sportifs qui vont représenter ces athlètes qui vont représenter donc euh, le Niger à Rio ont-ils des chances face donc à, à toutes ces nations qui peut-être quelque part euh, ont plus de chances euh, de formation et sont peut-être euh, expérimentés. je poserai donc cette question, Jaffa, on reviendra à toi, à Issa Madougou. Monsieur Diallo, je crois bien que les Jeux Olympiques, c'est une occasion pour chaque pays de faire preuve de, pertinence dans ses politiques en matière de promotion culturelle, de promotion des activités sportives ces athlètes nigériens, c'est vrai, c'est pour la première fois qu'ils participent, mais je pense que vu euh, le caractère aujourd'hui et l'engouement que ça suscite de soutien de la population nigérienne pour que ces gens euh, participent à ces jeux-là, c'est d'abord cette victoire. La première victoire, c'est le fait que le drapeau nigérien aujourd'hui sera perçu dans euh, le, stade Maracana qui va servir de cadre pour euh, l'ouverture des Jeux Olympiques. Je crois bien le fait seulement de voir le drapeau, ça c'est une première victoire. Mais on sait que c'est du sport, on ne sait pas euh, avec des, des, des, sportifs de talent, de renommée qu'ils vont affronter. Euh, quoi qu'il euh, puisse se passer par après, moi je pense que d'abord il faut se dire que on a déjà acquis une victoire. Le fait seulement qu'aujourd'hui on verra notre drapeau porté par Alphaga, ce jeune qui aujourd'hui fait le bonheur de notre pays sur les tatamis. Je crois bien que c'est la première des victoires. Et euh, donc, je l'ai dit, on parle aussi de cette délégation qui a accompagné ces euh, joueurs. Ils sont au nombre de 26. 26, un nombre mm, peut-être euh, que vous, vous jugez <laughs> trop suffisant, si du coup. Hello, merci à vous, merci aux auditeurs du studio Kalangou. merci de l'honneur fait à notre modeste personne pour participer à ce forum. Les Olympiades de Rio 2016 Issa l'a si bien dit, euh, notre pays aura l'insigne honneur de voir notre euh, drapeau flotter parmi tant d'autres pays représentatifs. Euh, pour rebondir justement sur votre question, la grosse interrogation à ce moment, 26, 26, quand on sait que nous n'avons que six combattants, toutes disciplines confondues, il faudrait tamiser, voir, il faudrait fouiller, faites-moi crédit du mot, voir indépendamment de nos six athlètes-là, les 20 autres-là sont qui S'ils sont des supporters ou bien des cadres du ministère Généralement, vous savez, c'est l'occasion rêvée pour certains cadres sportifs euh, d'aller d'aller faire du tourisme. Certains, au-delà de leur personne, ne manqueraient même pas d'y amener leurs parents ou bien leur épouse. C'est en ce sens où il faudrait critiquer euh, vraiment la démarche parce que les ressources de notre pays ne, sont, ne nous permettent nullement pas, c'est-à-dire même si on a de l'argent à jeter par la fenêtre, il faudrait véritablement que euh, ceux qui réellement sont du domaine fassent partir de la délégation. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons nous taire pour le moment, on ne peut que souhaiter euh, bonne chance à nos vaillants représentants et vivement qu'ils nous ramènent euh, des médailles et pas des moindres. Est-ce que ces ressources, euh, il ne serait pas bien que ces ressources servent plutôt à, plus former ces jeunes ou à soutenir ces jeunes, Jafar Oui, je pense que quand je vous parlais de, d'au-delà du sport, cette vision politique de, des Jeux olympiques. Ça veut dire que euh, l'État doit, doit mettre les moyens nécessaires puisque ce n'est plus euh, un jeu qu'on représente, c'est un pays qu'on représente. Ça veut dire que autant qu'on mène des actions de développement, autant on doit, euh, on doit soutenir ces acteurs-là parce qu'ils représentent les pays. Maintenant, par rapport au soutien, je pense qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Euh, peut-être on aurait dû même faire ce débat avant qu'il ne, parte. Ça peut résoudre peut-être la, pléthore <laughs> des, membres de la délégation. Mais euh, puisque euh, c'est toujours l'occasion, je pense que au niveau de nos fédérations, il y a véritablement, il y a deux niveaux de problèmes. Il y a le problème de financement même des disciplines sportives et il y a la gestion des fédérations. Je pense qu'on aurait dû s'attarder sur la gestion de fédération puisqu'on constate que c'est euh, un lobby pour éviter euh, les inquiétudes de ou qui consiste à, à voir les gens se promener même avec leur famille alors que euh, ça pourrait permettre d'améliorer les conditions des sportifs sur leur pays d'accueil. Je pense qu'il faut un peu penser à la gouvernance des fédérations. C'est très intéressant. Il y a la part de l'État à investir au niveau de, de, formation des, sportifs. Et il y a aussi la gouvernance des fédérations qu'il faut un peu revoir euh, et que peut-être qu'il faut discipliner. Issa Madogou, vous voulez ajouter quelque chose Et Effectivement, moi je pense que euh, cette problématique posée par Jafar euh, devrait être résolue bien avant leur départ. Parce qu'on voit comment, de la manière dont même les fonds sont mobilisés. Il fallait un téléthon pour mobiliser des fonds en faveur de ces téléthon. En fait, en réalité, ce n'est pas que l'État ne finance pas, mais l'État finance à sa, à sa manière. L'État finance en hauteur de ce qu'il dispose. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusque-là, le ministère en charge de sport n'a pas un budget conséquent. Et tout le monde sait aujourd'hui les relations qu'entretiennent les cadres du ministère et les membres de la fédération. Et vous vous rappelez tout récemment, le comité olympique a été sorti d'une crise. Et même la fédération aujourd'hui porte euh, flambeau de, ces Jeux olympiques, à savoir la fédération nigérienne de taekwondo, a été, a été pratiquement combattue à un certain temps parce que les gens pensent que euh, les dirigeants ne sont pas en train de faire. Pourtant, ils ont mis leurs propres fonds pour la promotion de ce sport. Alphaga, avant qu'il ne soit connu, il a été bien entretenu par les membres de la fédération. Ces gens-là, ils ont l'amour pour ce sport et ils ont investi leurs propres fonds. Mais maintenant, à voir que des gens, par exemple aujourd'hui, c'est très frustrant euh, de voir que des gens qui profitent de cette situation pour réaliser leur rêve de tourisme. Non, moi je pense que comme le temps ne s'y prête pas, maintenant nous nous concentrons sur euh, leur participation et le débat, ça va se faire après. Et, et donc constitue en quelque sorte l'espoir euh, euh, du Niger à, ces Jeux olympiques. Euh, oui, justement, je, ça, me, ça me suscite autant d'espoir et autant d'inquiétude parce que c'est vrai le, le, jeune sportif il avait il a le talent, il a le vent en poupe comme on dit. Mais il y, a il y avait une communication que j'estime qui a été, eu un matraquage sur sa, sur sa préparation euh, qui risque à certains égards, euh, si on n'a pas joué sur le, psychologique de ce, euh, de sportif-là, à, lui porter un coup fatal. Parce qu'on a fait, on l'a placé à un échelon, j'estime que on a amené les Nigériens à le considérer comme la seule médaille nigérienne, comme déjà une garantie de la médaille. Est-ce que c'est pas Et au stade actuel, au stade, on, on, a, on a tout l'espoir à lui, vu ses performances. Mais est-ce qu'on a préparé les Nigériens à, l'accepter au cas où euh, ils n'arrivent n'arrive pas à avoir cette médaille, puisque c'est la, règle euh, du sport oh, la meilleure équipe peut perdre. On l'a vu tout récemment avec l'euro euh, organisé en France où tout est plié même la veille. Et on voit que c'est le Portugal qui bat la France. Ça veut dire qu'il faut se préparer à des éventualités comme ça. Et est-ce que c'est pas parce que Diafar, c'est pas parce que euh, et donc euh, Alfaga a fait a fait ses preuves. On va revenir à toi. Euh, si du coup euh, Ousmane Alfaga a effectivement fait fait ses preuves, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait vraiment peut-être dire que c'est parce qu'il a réellement prouvé de quoi il était capable que l'espoir vraiment est misé sur lui? Euh, justement, euh, Diallo, c'est parce que Alphaga à lui seul a suscité autant d'espoir. vous l'avez si bien dit, il a fait des, des preuves à travers euh, divers championnats, à travers aussi sur, des tatamis de, grande renommée. Mais il ne faudrait pas occulter ce que Jafar a dit. C'est là où je m'inscrirai légèrement en porte-à-faux. Parce que vous savez, si on a eu à faire tout ce matraquage sur ce bonhomme-là, parce qu'à un moment donné, sa participation était hypothétique. cest dire que la fédération a émis d'une manière ou d'une autre un déficit de fonds qui se, qui se devait d'être mis à sa disposition. C'est là qu'il faut déplorer que des icônes, des compatriotes qui font leur preuves ailleurs qui sont sérieusement courtisées n'arrivent pas à être vraiment mis dans des conditions le minimum pour valablement et dignement représenter le pays. Mais abstraction faite de ces deux éventualités, je crois que loin de jouer les oiseaux de mauvaise augure, euh, nourrissons l'espoir que AlphaGa euh, saura faire euh, ses preuves. Mais dans le cas échéant, il est et demeure cette icône-là sur laquelle matraquage médiatique n'a cessé d'être fait. Et c'est donc sur cette intervention de Sidi Kou Ousmane de la télévision radio La que nous allons aborder la suite euh, de ce forum. À travers le traditionnel message à la nation, dans son discours, Issoufou Mamadou, le président de la République du Niger, a abordé les grands sujets de préoccupation de l'heure, comme la sécurité, la santé des populations, l'éducation ou encore le fonctionnement des institutions de la République. Sur le plan sécuritaire, le président de la République s'est particulièrement attardé sur la situation euh, de, dans la région de Difa, qui a récemment fait l'objet d'attaques de la secte Boko Haram. Nous allons écouter un extrait de ce discours. Mes premières pensées vont vers tous ces soldats tombés sur le champ d'honneur en défendant la souveraineté de notre nation, la sécurité de son peuple et de ses biens. Je pense euh, notamment à ceux tombés récemment à Bosso, dans le cadre de la lutte sans merci que nous avons engagée contre Boko Haram. Je suis conscient du fait que la menace que constitue Boko Haram inquiète bon nombre d'entre vous. Je voudrais m'adresser tout particulièrement à nos compatriotes de la région de Difa, région particulièrement affectée par les activités terroristes de cette secte. Je tiens à vous rassurer, population de Difa, que Boko Haram, plaise à Dieu, sera bel et bien vaincu. Mes chers euh, concitoyens, le 3 août 2020, euh, lorsque, plaise à Dieu, je me tiendrai devant vous pour prononcer mon dernier discours de commémoration de notre indépendance et vous faire le bilan du présent quinquennat, j'espère euh, pouvoir vous dire que l'État dans lequel je laisse le Niger est bien celui que j'ai décrit dans mon discours d'investiture. Un Niger radicalement transformé, un Niger où les institutions démocratiques seront plus fortes, un Niger où la lutte contre la corruption aura progressé. Il y a donc euh, le discours, c'était le discours du président de la République Soufou Mamadou à l'occasion donc euh, du traditionnel message à la nation. Issa Madougou euh, de la RTT quelle est la, euh, votre réaction par rapport à ce discours je crois bien que ce discours, ce traditionnel discours, euh, comme les années antérieures, euh, pratiquement c'était la revue des activités ou bien des promesses tenues ou faire un peu le bilan des activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du programme La Renaissance. Mais cette fois-ci, on sait que ça s'éteint dans un contexte un peu particulier, surtout sécuritaire et une situation où le dialogue politique n'existe pas. C'est pour, pour moi, c'est peut-être ce qui peut expliquer encore une fois de plus cette main tendue vers l'opposition. En tout cas, moi, c'est les deux points qui m'ont un peu attiré. Par exemple, la lutte contre la secte Boko Haram. On sait que euh, le Niger aujourd'hui, avec plusieurs pays, ont engagé une guerre sans merci contre cette secte qui est en train d'endeuiller des familles au-delà de, toute cette zone euh, du lac Tchad. Euh, il faut aussi saluer un peu quelques prévisions, peut-être que si, qui ne sont pas euh, tout à fait une réalité, mais ce sont des prévisions, mais il faut s'atteler au travail pour pouvoir les réaliser. Moi, je pense que globalement, euh, ce discours euh, comme les autres discours, n'a pas apporté quelque chose de neuf, sauf que eh, il faille aujourd'hui le gouvernement eh, eh, puisse intensifier d'autres actions parce qu'on a plus attendu euh, des explications euh, par rapport à cette sécheresse financière que vit notre pays. Et on a plus attendu le président pour euh, donner des explications, mais ce n'était pas au rendez-vous. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais quand même, euh, globalement, comme je l'ai dit, c'est les deux points moi qui ont peut un peu attirer mon attention dans ce discours. Et pendant qu'on parle donc euh, de Boko Haram, il y a aussi l'intervention de cette force mixte multinationale, un espoir peut-être pour euh, ce combat dans la lutte contre euh, la secte Boko Haram, Jafar de, l'indépendant. Oui, je pense que avant de répondre à votre question relative à, à, la situation de, de Boko Haram, euh, revenir un peu sur le discours euh, du président de la République, moi, j'ai retenu deux niveaux de, euh, d'informations qu'il a livrées et qui méritent que nous, on, s'y prête beaucoup d'attention et peut-être à l'occasion le rappeler à, l'ordre, si on peut le dire. sans grande modestie. C'est la question de d'unité quand il fait l'appel de la main tendue vers vers tous les citoyens, On sait que euh, quand un président fait une telle, euh, un tel appel, c'est pas pour les citoyens qu'il le fait, mais c'est pour les groupes politiques. C'est-à-dire pour le camp politique, et là, on parle de l'opposition. Et c'est la seconde fois que le président de la République tend sa main au lendemain donc de, de, sa, de son élection. Euh, justement, ou un peu plus même, quand depuis, depuis sa, première intervention à, à l'investiture, il l'a dit à euh, un certain moment, il l'a aussi répété, je pense que c'est pour la troisième ou la quatrième fois. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir véritablement de, cela euh, quel, Pourquoi cet engouement on sait qu'officiellement, il dit que c'est ça. Il l'a toujours dit depuis, depuis qu'il était à l'opposition. Il l'a toujours dit. Euh, mais ce qui me retient mon attention ici, c'est peut-être s'il met l'accent sur le besoin sécuritaire. Et là, c'est aux citoyens qu'il doit lancer appel c'est aux citoyens d'adhérer à la politique nationale sécuritaire, qu'ils puissent être acteurs même de la sécurité et non des euh, de, de, de, personnes à protéger. En trop lançant, on a comme l'impression qu'il y a un souci de satisfaire euh, une volonté politique, de fédérer toute la classe politique autour de lui, parce qu'on sait qu'il euh, il y a les acteurs politiques et il y a la population en tant que telle. Et dans le contexte sécuritaire, on a plus besoin de la population. Je comprends qu'ils sont des leaders d'opinion des, leaders et qu'ils peuvent fédérer autour, ils, fédèrent autour de beaucoup de, citoyens nigériens, mais l'accent devrait être mis au, euh, euh, au niveau des populations. Puisque quand vous regardez, aujourd'hui, on a un gouvernement de 40 et quelques ministres. Euh, lorsqu'on parle d'union nationale, on, risque d'arriver à, une sorte de, formation de gouvernement d'union nationale avec combien de membres, pour quel résultat. Et même si c'est le souci sécuritaire, Issa l'a dit, on a un problème aujourd'hui qui est crucial, celui des trésoreries. Donc, on a des soucis à gérer. Maintenant, la question de Boko Haram, euh, elle, c'est à cela, elle rejoint ce que j'ai dit c'est de lancer un appel au niveau de population, que les citoyens soient acteurs de la sécurité on est dans un contexte où les, traditionnels acteurs de la sécurité, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité, ne peuvent pas nous garantir la sécurité parce que euh, c'est ce n'est pas des combattants euh, classiques qu'on connaît, c'est des citoyens ordinaires et à des moments ils opèrent, donc c'est à la vigilance de la population qu'il faut appeler. Et est-ce que l'opposition pourrait se diviser sur cette question, du coup Ousmane de la télévision et radio Labari Diallo n'aime pas cette boule de cristal là devant moi. Je ne saurais vous dire si elle saura être divisée ou pas, mais toujours est-il que relativement à son message à la nation, euh, deux choses retiennent à mon attention, c'est-à-dire sa main tendue et la question sécuritaire abordée. Relativement à cette main tendue, euh, vous savez, c'est lui qui davantage pour beaucoup ne cesse de prêter le flanc à ceux que soit qualifié que Issoufou n'a cessé de parler à Issoufou, bien Issoufou n'a cessé de faire que du surplace. Moi, je ne comprends jamais. Euh, euh, cette démarche, surtout que lui, en son temps étant opposant, maintes fois, euh, maintes lui a été adressée, mais qu'il n'a cessé de refouler. Ça, c'est primo. Secondo, euh, quand vous voyez la pléthore de partis l'ayant soutenu pour euh, accéder au pouvoir, ils en sont presque à une quarantaine, sinon plus. moi, je ne comprends pas cette persistance à vouloir tendre la main à l'opposition, même si c'est dans l'œuvre de construction nationale. C'est ce qui fait dire aux gens que d'autres sein serait caché et derrière cette main tendue. Euh, même dans une famille, une cellule familiale, Gallo, vous ne pouvez pas euh, faire l'unanimité au sein d'une cellule familiale. Donc, euh, à quoi va s'apparenter le, le, le, cadre politique tant qu'il n'y ait pas cette opposition qui a à jouer son rôle de contre-pouvoir L'un de l'autre, moi, je me dis qu'il a beaucoup plus à faire que de tendre cette main, surtout que cette main-là, à lui, elle a été tendue quand il était opposant, il n'a pas accepté. venons en à la question sécuritaire Lui-même, il est conscient que les défis sécuritaires sont euh, en ce moment énormes auxquels notre pays fait face, euh, à, l'instar de plusieurs euh, pays qui nous entourent. Donc, euh, Diafana a parlé d'une force mixte là. Maintenant, c'est de créer les conditions pour que chaque pays, individuellement pris, puissent prendre les dispositions qui s'imposent d'abord pour sécuriser les populations, les frontières, maintenant créer cette synergie à laquelle ils, ont, ils veulent tendre. Euh, je crois qu'avec avec euh, un peu plus de volonté, et surtout avec euh, l'information du jour, avec peut-être ce que, ce que Doka appelle un début de dislocation de la nébuleuse, peut-être qu'on saura être à bout de cette nébuleuse, mais toujours est-il qu'il ne faut pas qu'on se baisse d'illusions, donc il faudrait que les conditions soient créées. Est-ce que cette, cette opposition pourra va-t-elle rester soudée, Issa Madougou ben, écoutez, c'est ce que mes confrères viennent de dire, mais pour beaucoup, beaucoup d'observateurs, cette main tendue ne s'explique pas. Qu'est-ce que le président a besoin Est-ce qu'il a des difficultés au niveau de faire passer cela au niveau de l'Assemblée Non. Il a une majorité confortante au niveau de l'Assemblée nationale. Ou alors, avec la cinquantaine de, de partis politiques qui le soutiennent, un gouvernement pléthorique de 43 membres, alors, pour un pays qui est dernier en indice de développement humain, parce qu'on sait que quand il y a alliance, le plus souvent, c'est le partage des postes. Alors, si l'opposition vient, comment faudrait-il voir ça Moi, je pense qu'il y a deux aspects. Soit l'opposition vient cautionner l'échec des programmes euh, de gouvernance, ou bien l'opposition vient signer son arrêt, euh, son arrêt, de mort politique. Parce que, vous souviendra, dans un passé récent, plusieurs fois, maintes fois, le président Tanja fait appel au, au président Issoufou, à, à, ce moment-là, chef de file de l'opposition, pour le rejoindre dans un gouvernement. Mais il dit qu'il préfère jouer son rôle d'opposant pour ne pas être comptable des échecs devant le peuple nigérien. Alors quel intérêt aujourd'hui, eh, surtout le MNSD qui est tellement cotisé à aller Pourtant, vous avez passé pendant ces cinq dernières années à critiquer ces gens-là. Je ne vois pas quel serait ce concours. Parce que déjà, à l'heure actuelle où nous nous sommes, le pays se trouve dans une situation, surtout sur le plan d'endettement. Le Niger aujourd'hui a dépassé le cap parce que les gens ne veulent pas et dire un peu euh, les, les, vérités. Parce que ceux qui endettent, ceux qui plombent aujourd'hui, qui risqueraient du moins de plomber l'avenir de, euh, ce pays, c'est le fait de ce système de, financement des projets de développement, le partenariat public-privé, dont le Niger aujourd'hui a fait de ça un cheval de bataille pour financer ces grands projets. Parce que ce, ce type de financement a été créé en Europe, qui a été rejeté en Europe. Le cas de la ville de Mans en France est exemple palpable de l'échec de ce type de partenariat. Pourtant, quand on voit aujourd'hui le chemin de fer, le marché d'Ol et de Zander, plusieurs projets et bientôt l'aéroport national et international Jori Hamani qui, est lié euh, dans une convention avec une autre société qui sera chargée de sa modernisation et de sa gestion plus sur plusieurs décennies. Mais est-ce que, est que la réalisation de ces chantiers ne, ne, serait pas peut-être euh, un début pour le développement et surtout pour... Euh, euh, comment vous pouvez asseoir un développement avec un endettement qui dépasse la, norme Aujourd'hui, on sait que le Niger ne devrait pas dépasser un seuil de développement parce que quand aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est estimé à 51%. On sait qu'en 2010, ça tourne un peu dans les trentaines. Aujourd'hui, si le Niger continue dans cette lancée, nous risquerons d'être placés sous perfusion sous le contrôle des institutions financières, comme la Grèce. C'est pour cela que les gens tirent la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, cette main tendue, on ne voit pas, qu'on cherche d'abord à résoudre le plus pressant. Par exemple, aujourd'hui, de quoi les Nigériens ont besoin La réduction des coûts de la vie, le paiement des pécules aujourd'hui qui tarde, cette chasseresse financière aujourd'hui qui fait en sorte que le fonctionnaire, quand il se lève matin, il n'est pas motivé à aller dans au bureau parce qu'il sait qu'il n'y a rien. Il préfère aller faire de ses business pour pouvoir subvenir aux, besoins de sa famille. Voyez-vous, c'est ça que le Nigérian a besoin. Et nous passons donc à un autre sujet. Le Niger est en état d'urgence écologique. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Ouassalke Bokari. Écoutons euh, un extrait. Une étude réalisée par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel sur la période 1975-2013 indique que l'offre durable en bois de formation forestière de notre pays était de 2 millions de tonnes par an, alors que les besoins annuels étaient estimés à 4,9 millions de tonnes. La même étude révèle que les pertes de superficie forestière sont de l'ordre de 100 000 hectares par an. Au plan de la biodiversité et concernant plus spécifiquement notre patrimoine phonique, l'effectif de la population d'Adax est en très forte régression. Tandis que certaines espèces comme l'orix et l'autriche ne se rencontrent plus à l'état naturel. Cette situation d'état d'urgence écologique est aggravée par les effets du changement climatique, mais aussi par des comportements inappropriés. La destruction de la biomasse résulte en grande partie des défrichements inappropriés pour les champs de culture et de la prédominance du bois comme source d'énergie culinaire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Wassalke Boukari, le Niger en état d'urgence écologique, euh, Jafar de l'Indépendant, qu'est-ce que cela euh, euh, vous suscite euh, euh, merci. Euh, je pense que c'est une situation. le Niger a toujours été pendant plus de 40 ans en, état. Si c'est aujourd'hui que le ministre constate, je pense qu'il a eu une longévité administrative, lui d'abord. avant d'être premier responsable à, certains égards pendant plusieurs décennies d'ailleurs. Donc il connaît mieux la situation écologique du Niger. Malheureusement, je pense que depuis les années 70, le Niger est en état d'urgence. C'est peut-être c'est pas aujourd'hui. Euh, peut-être c'est l'occasion, lui, de les dire, puisqu'il est à la commande du ministère en charge de, de, l'environnement. Mais euh, depuis les années 70, on, se souvient encore de politiques euh, engagées par les, les, militaires au pouvoir dans les années 70 à 80 jusqu'à 87, jusqu'à la conférence nationale. D'abord, ils ont été plus, plus regardants et et prévoyant sur cette question de l'environnement. C'est peut-être avec la, démocratie qu'on a constaté un relâchement, puisque euh, rappelez-vous de la politique de plantation d'arbres. Apparemment, tout ce que nous sommes, euh, on est pratiquement de la même génération. Je pense que chacun a au moins l'idée à l'école primaire d'avoir participé à la plantation d'arbres. C'était une pratique de, régime d'exception à un moment où on a senti que le Niger est en état d'urgence. Et aujourd'hui, le relâchement, qu'est-ce qu'on constate C'est les mêmes politiciens au pouvoir qui euh, euh, cassent les, mêmes les forêts <laughs> les forêts classiques. Prenez, à l'exemple de la ceinture verte où vous regardez, allez-y voir les maisons qui poussent à étage et les maisons de, ce sont les maisons de qui? C'est généralement les mêmes de 90 à aujourd'hui les mêmes euh, responsable politique, ça veut dire que si euh, on doit s'arrêter un temps soit peu, je ne sais pas si euh, en déclarant l'état d'urgence écologique, il a senti la nécessité de sanctionner par, dans leur camp, de voir qui sont les responsables, qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que la ceinture verte, même à certains égards, c'est le financement extérieur. Mais ils n'ont pas hésité à la concasser. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir de 90 à aujourd'hui, si vous regardez, il n'y a aucune politique de plantation d'arbres. Et il n'y a même aucune politique. Et c'est là où j'accuse beaucoup euh, la Septième République, parce que quand l'exploitation du pétrole a commencé, on se rappelle bien du, de la première intervention du ministre du pétrole, Fuma qui disait que euh, le Niger va engager une politique pour amener nos concitoyens à utiliser le gaz. Ils disent même qu'ils vont éduquer les citoyens nigériens à s'approprier euh, le, gaz. En parlant de politique de plantation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Pratiquement rien. Avec l'exploitation du pétrole, on aurait dû avoir peut-être repensé euh, à un fonds comme euh, à, l'époque le, le, fonds, vert, ou quoi ils les appellent logés au ministère du Commerce. C'est à ce moment-là qu'il faut utiliser ce fonds ou voir qu'est-ce qu'on fait de l'argent issu de l'exploitation du pétrole Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ce genre de situation d'urgence Je pense que le ministre euh, de l'Environnement doit interroger son, collègues du, euh, du, pétrole pour savoir ce qu'ils font. Et à l'occasion donc euh, de, ce 3 août, cette fête de l'indépendance, qui est aussi euh, la fête nationale de l'arbre, il y a la plantation aussi des arbres. Chaque Nigérien doit planter un arbre. Et cette année, ce fut, il a été question d'environ 9000 9 000 arbres. Et Issa Madougou euh, de la télévision radio et euh, Ténéré. Mais écoutez Diallo, vous savez que en matière d'environnement au Niger, tout a été inclus toujours dans le euh, dans les discours. Pratiquement sur le terrain, vous ne voyez rien. Cette fête de, de l'arbre a été instituée en 1914, 1975 au lendemain du coup de force du CMS, le Conseil militaire suprême, présidé par le général Séné Kounchi. Et cette c'est à cette période que le Niger vit une grave sécheresse. Et ils ont initié cette fête de l'arbre pour pouvoir doter notre pays de zones vertes, d'espace vraiment verts qui puissent arrêter l'avancée du désert. Mais quand vous prenez, Giafar l'a dit, seulement il y a un aspect positif, c'est de cette date de, des militaires à la conférence nationale. Mais depuis où le Niger a amorcé la démocratisation, tout ce qu'il y a comme les questions environnementales sont inclus seulement dans les discours. Par exemple, je me rappelle euh, au début, euh, à l'aube de, de, de la Septième République, le président de la République avait initié un village, un bois. C'est-à-dire quoi Il faut que chaque village, dans, sur ces cinq ans, puisse se doter d'une forêt et que chaque euh, chaque personne puisse avoir son arbre à lui et l'entretenir. Mais aujourd'hui, on a fini euh, la Renaissance Acte 1. Quel est le bilan Si aujourd'hui le ministre parle d'état l'état d'urgence euh, environnemental, environnementale, moi je pense que comme c'est parce que c'est le Niger, les gens n'ont pas cette l'habitude de démissionner pour incompétence. Mais ça, c'est vraiment c'est une insulte à tout le corps de l'environnement, parce que vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle. Le Niger part le plus souvent dans les forats internationaux pour prendre des engagements. Mais quand ils reviennent aujourd'hui au pays, c'est un autre discours. Jafar l'a dit, on a vu le morcellement de la ceinture verte. Pourtant, le mais est-ce seulement la faute du ministère de l'Environnement quand on sait que le bois aussi est utilisé euh, en, ménage Si du coup, Ousmane euh, de la radio-télévision euh, La Barrie. Euh, merci Gallo. Vous savez que notre pays soit dans un tel état d'urgence écologique, moi je me dis que ce n'est tout simplement là qu'un avis d'échec. Ça doit amener euh, les autorités en charge de ce ministère à trouver euh, le mécanisme de cesser de... C'est-à-dire que vraiment cette politique a montré ses limites, c'est-à-dire à savoir la plantation d'arbres à chaque 3 août. Et la preuve, l'engouement d'antan n'y était pas. Moi je me rappelle quand nous étions pas gamins, même si à l'école primaire, je vous assure, au 2 août, c'est-à-dire, ça sentait qu'effectivement, il y a un événement qui, qui arrivait. Et le jour de la fête du 3 août, c'est-à-dire, on se riait au, camp des eaux forêts qui, pour prendre son arbuste, on, se, on en faisait même une question de fierté pour l'entretenir. Moi, je me rappelle, il y a des parents qui mettaient même des, des comment on appelle, des, des sommes à notre disposition pour celui qui entretiendrait le mieux et son, Mais Pour, résoudre le problème, oui, euh, le président de la République a décidé que cette fête euh, nationale de Lab sera tournante. Et, à ce sujet, on va revenir à cette discussion. On écoute juste quelques secondes un acteur de la société civile qui donne son point de vue par rapport donc à cet aspect. Jusqu'à preuve de contraire, les populations ne s'approprient pas les arbres qui sont plantés chaque année. Peut-être si on crée une sorte d'émulation entre les régions, ça peut aller. Par exemple, le cas de Niamey est patent, il est énervant. Si on plante 350 arbres à Niamey l'année dernière et qu'on se retrouve avec une vingtaine aujourd'hui qui sont en train de vivre, c'est dégueulasse. Cette vérité, il faut qu'ils la disent aujourd'hui aux Nigériens. Parce qu'on ne sait pas si c'est la faute des populations ou c'est la faute du ministère de l'Environnement. Mais moi, j'accuse le ministère de l'Environnement. Parce qu'en plantant, ils ont bel et bien dit que c'est eux qui vont entretenir les arbres et c'est eux qui fera en sorte que les arbres grandissent. Le ministère de l'Environnement doit avoir le courage de dire cette vérité aux Nigériens. Nous avons planté 350, nous sommes retrouvés avec une vingtaine à moins de 10 ans, de, de 10 mois. donc, euh, nous venons d'écouter Nassirou les acteurs de la société civile. Si du coup, euh, Ousmane de la radio-télévision euh, La Barry, on était à vous. Justement, eh, Diallo, je disais, eh, moi je me dis qu'il eh, faut diviser la poire en deux dans cette histoire-là. Le monsieur lui-même en a parlé des mentalités. Qu'on fasse pas de façon rotative, même si c'est chaque mois on fait par région, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Amener les populations vraiment à comprendre, à s'approprier eh, bon, cette question de, de plantation d'arbres. Bon, on ne peut pas exclure les changements climatiques. D'ailleurs, ce qui m'amène à me poser certaines interrogations, la COP 21, c'est-à-dire le Niger s'était fait représenter par une pléthore de délégations. Que deviennent ces conclusions de cette rencontre internationale qui au moins aurait pu nous servir euh, dans ce sens L'un de l'autre, moi je ne jeterai pas l'anathème sur X ou Y, mais je me dis que les autorités se doivent de voir leur copie. Quant à la plantation euh, d'arbres, à, à, chaque 3 août, c'est vraiment de trouver les mécanismes. Euh, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose le fait qu'on en fasse euh, un truc rotatif, mais vraiment, euh, c'est d'impliquer, d'associer pleinement les populations afin qu'elles s'approprient effectivement euh, cette question euh, de plantation. Est-ce que ces, populations elles-mêmes sont conscientes euh, du rôle, des avantages de ces arbres Issa Madougou. Écoutez, je crois bien qu'il faut que les gens arrêtent de dire que c'est les populations qui ne prennent pas soin. Même si aujourd'hui au Niger, on sait qu'on utilise le bois. Faites un tour dans les villages, vous allez voir nos parents là qui n'ont jamais été à l'école de la manière dont ils coupent les arbres. Ce n'est pas comme ici à Niamey, quand vous voyez à la ceinture verte comment ils coupent les arbres pour faire le morcellement. Ils coupent jusqu'à la racine. Donc, il n'y a pas un moyen pour l'arbre de se régénérer. Donc, aujourd'hui, qu'on fasse de ça une fête tournante, moi, je ne pense pas que c'est juste pour permettre à certains Nigériens de se, de enrichir, de, remplir les poches. Parce que quand vous regardez pratiquement toutes les places qui ont été l'objet de cette cérémonie officielle de plantation d'arbres à Niamey, prenez le marché Bonkane actuel, au niveau du troisième arrondissement, Banifandou. Mais cette place a servi de plantation d'arbres. Un peu loin, euh, chez Jemama Ousmane, c'est la même chose. Quand vous voyez Rampon à côté, c'est une place aussi qui a été servie et qui a servi de cadre. Mais aujourd'hui, pratiquement, il n'y a rien. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens même euh, qui sont chargés de ce ministère-là, au niveau, ils n'ont pas de politique adaptée, y compris les municipalités qui ne participent pas. Aujourd'hui, vous avez vu, je vous assure, un mois après. Aujourd'hui, on est en août, Je vous donne rendez-vous le 3 septembre prochain. Faire un tour au niveau de la place qui a servi de cadre à cette cérémonie et l'avenue Tanimoun sur 16 km aussi qui a été concerné par cette opération. Vous allez voir aujourd'hui. Nous poursuivons, nous allons poursuivre donc avec euh, cette question de Boko Haram. Nous revenons euh, euh, un, peu en arrière, c'est vrai, mais qui dirige Boko Haram C'est aujourd'hui cette question. Selon l'hebdomadaire de propagande du groupe État islamique, Abu Moussad donc serait le nouveau chef du groupe terroriste. et donc quelle est votre réaction par rapport euh, à, cette euh, question de leadership pendant qu'on parle de l'éradication de Boko Haram et euh, Jafar oui, Marie, moi je pense qu'il y a une communication qu'on est en train de, je pense de on est en train de faire la communication de Boko Haram peut-être sans le savoir. Vous savez que les médias, euh, au plan international et même au plan régional africain, les médias sont partagés sur l'appellation même de, ce groupe euh, terroriste. Vous savez qu'il y a ceux qui les appellent État islamique, ils l'acceptent comme ça. Et vous savez que les médias africains qui euh, ne font aucun lien avec l'État islamique. Mais aujourd'hui, faire un débat autour de qui contrôle, c'est comme si nous sommes dans, une, dans un État et que, bon, un État organisé. Moi, je pense que que, ça soit dirigé par euh, un nouveau euh, émir ou calife, comme il l'appelle, ou que, que ça reste dans les mains des de, je pense que le plus important, c'est euh, qu'on peut, voir quelle est l'hégémonie actuelle de, Boko Haram. Est-ce que le Boko Haram est en train de se reconstituer Est-ce que Boko Haram euh, euh, est en train d'utiliser la communication puisqu'elle perd le terrain C'est ce combat-là qu'il faut faire. Et aujourd'hui, Boko Haram est en train de perdre du terrain. Malheureusement, je dis malheureusement, on n'arrive pas à sécuriser à l'intérieur de nos, de nos frontières, puisqu'on a constaté que jusqu'à cette semaine, il y a des attaques sporadiques de petits groupes qui sont incrustés dans les populations. Est-ce est qu'il y, est qu y, a entre l'action de la force mixte euh, euh, multinationale dont a parlé le président ressemblait à une sorte euh, de... Y a-t-il un lien entre ça et une querelle de, de leadership non, mais eh, écoutez, mais moi je pense que au départ, quand Boko Haram est né, c'était déjà des jeunes diplômés. Hein. C'est des instruits hein, qui ont créé euh, Boko Haram au Nigeria. C'est des jeunes universitaires qui ont décidé un beau jour par euh, leur propre conviction, qu'ils ne trouvent aucune explication, que ce soit dans la religion ou bien dans la science, qui ont décidé de créer euh, cette secte maléfique. Mais le fait que Boko Haram fasse allégeance à l'État islamique, moi de mon point de vue, le premier jour où j'ai entendu cela, j'ai dit, on va s'acheminer vers la fin de Boko Haram. Parce que pourquoi L'idéologie de l'État islamique, communément appelée Daesh, n'est pas l'idéologie que le... Parce que ils, eux, ils s'attaquent pas à des populations. Parce qu'ils ont une vision d'une nation islamique qui est régie, gouvernée avec les textes coraniques que Boko Haram, c'est le banditisme. Des gens qui regroupent des, villageois pour, euh, pour les égorger. Nous donnons quelques secondes à Sidikou Ousmane de la radio et télévision La Barry pour dire juste en quelques secondes un dernier mot avant la fin euh, de ce forum. J'ajouterai en fraction de seconde, Diallo. C'est dire qu'on fasse la communication ou pas de Boko Haram. Moi, je crois qu'en ce moment, c'est une occasion en or qui est donnée sur un plateau d'argent. Déjà, le problème de leadership, nous, on n'a rien à cirer, comme qui dirait, mais c'est de savoir profiter, saisir l'opportunité eh, pour l'anéantir davantage et mettre cette, cette nébuleuse-là hors d'état de nuire quand on sait que eh, sur tout le chemin, il n'a causé que désolation et, indignation au sein des populations à travers les différents États eh, sur lesquels il a opéré. Euh, fidèles auditeurs, nous sommes donc à la fin de ce forum de la presse. Je recevais pour vous Sidi euh, Sidikou Ousmane de la radio et télévision La Barille, euh, Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré et Maman euh, du journal L'Indépendant. Merci infiniment de rester fidèle au programme euh, du studio Kalangou. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.